koy le personnel sanitaire tey jii jàpp lu toll les localités ni ci Espagne en provinces ak deux euh, villes euh, autonomes muy Ceuta ak Melilla ci wàllu jàngoro ci Madrid moo nekk ci kanam ak euh, lu toll ci di wax ci wàllu matir foofu rek lu toll ci cinq mille sénégalais ñu ngay dund foofu ka ca topp ci mbir mi muy Catalogne foofu mu am cinquante et un mille cent quatre vingt dix ñoo xamante ne am nañ diaspora ji ñi ci génn àdduna ñu ngi toll ci cinq cinq mille trois cent quatre comité régional ba am na aussi comme ñu toujours rek structures ay structures yi am ci dëkk yu nekk muy organisation sociale wàllu daayira bi wala mhm. association bi ñoom ñëpp ñi nga xamante ni aussi mbir mi am na ñoom ñëpp laxasaayi mhm. nañu ndax vraiment li bu ëmpale ñi ci mhm. Sénégal am benn culture culture de solidarité culture de terrain yo dëgg la mën nañoo siiroo wala ñaañoo ci biir waaye bu intérêt menacé war ñun ñëpp dañuy laxasaay bokk ndey bokk bàyyi loolu tax na par exemple mel ni par exemple ak suñu mbokku. ak mu euh, jëm gàncax nekk fa. waaw waaw bu nga xamante ni taxaw foofu foofu bi nga xamante ni mbir mi am na ñoom séance grande débla débloqué vingt deux mille euros war war fa kenn koo dimbali suñu mbokk ñi nga xamante ni ñu ngi tëj bi ci bëri ci commerce bi liggéey te fi ñoom taxaw nañu. mbokk yi nga xamante ni ñoo nekk ci confinement bi. macha allah macha allah mais euh, euh, état bi dugal na fa xaalis euh, gis nañ ne wax dëgg yàlla bala xaalis bi ñëw gis nañu communauté bi nu ñu nu ñu nu ñu amee solidarité di jàppalante mais est-ce que xaalis bi après bu mu ñëwee nii am na fa est-ce que def na loo xam ne par exemple changé na ko. waaw maa ngi xam nga Bueno. Pues, transfert d'argent bi nga xamante ni ñu ngi koy def à travers vraiment le monde la diaspora mais mm-hmm. ñun aussi waroon autonomie à travers ce fonds là créer benn partenaire de financement boo xamante ni dina mën a yëpp en cas de wàllu transfert d'argent xam nga y a autant de de de mécanismes autant de projets yoo xamante ni mënoon nañu ko mënoon nañu ko defal suñu bopp mais xaalis Inward yi ba nga xamante ni commencé nañu liggéey bi wala léegi ñoom ñoom ci ñoom première phase ñoom a taw dit que loolu bu amé moy c'est-à-dire que seen situation si maladie bi xaw calme tuuti c'est-à-dire que ñi ñi ñu espoir. waaw asalaamaaleykum Malick malik mag lay nuyu di nuyu suñ mbokk yi nek New York ak ci États-Unis mhm. yëpp. maa ngi nuyu aussi mon frère vraiment Momar ak diis mhm. rafet du liggéey bi nga xam ne mu ngi koy def foofu ci Espagne. Mhm. Espagne waaw pour répondre directement malik ci sa question bi effectivement. Italie mi nga xam ne mi nga xam ne presque fii la mbir mi euh, déparé woon euh, ci Europe euh, yàlla def na depuis le 4 mai ubbi nañ ubbi nañ ubbi nañ dëkk bi daal maanaam nit ñaa ngi nit ñaa ngi mën a dem di dox ci seen soxla yi mais nag mais nag ñu boole kook une une précaution mooy toujours mm. masque ak distance alors bi dafa hein. mhm. allo toujours nañ mais avec des précautions maanaam transport transport public mais toujours avec euh, benn précaution Madame, distance distance ak obligation takk masque ak gants, ak aussi. Euh,

ci loolu tamit ñu caytu ne en fait région bi ci gën a sonn mooy Lombardie mooy fi ñu dëkk ñun muy Milan di capitale di Lombardie muy Milan Milan nekk capitale muy lombardi presque ñi eh, ci génn àddina li ci ëpp fii la fii la moitié bi fii la nekkoon fii la amee ci ci région bi ñaareel bi li eh, ci génn démb ak tey àddina moitié bi tamit ci lombardi bu mel ni rek wax dëgg yàlla Euh, Italie <laughs> euh, problème bi mu ngi nekk ci Lombardie te euh, jël na ñu ngi jël ay matuwaay ay matuwaay bu mag beneen mbir bi ci xew Mali moo di ne gouvernement bi xam nga defoon na ay décret pour aider les les Italiens ci mois ci mois de ci mois de mars bi ñi nga xam ne ñoo doon ñoo doon yore doon liggéeyal seen bopp ay commerçants yeeg yu moom te ñu bëri ci sun communauté bi jox jox jox nañ leen 600 euros ci mois de ci mois de avril bi ñu ngi euh, ñu ngi mois de mhm. mai mais prévoir ne lañ ndàmpaay pour mois d'avril 800 euros mais leneen leneen li nga xam ne nag wax dëgg yàlla moo ñu intéressé te intéressé doomu sénégalais yu bëri yu nekk fii mooy euh, Italie mu ngi préparé pour may ay këyit li ñuy waxee permis de ah waaw ndaxte ndaxte li ko def moo di ne tool yi tool yi dañoo ñor tool yi dañoo ñor euh, africain africain yi ak pays de l'est yi ñoo ci doon liggéey mais pays de l'est yi ñoom bi feebar bi bële rek dañoo daw dem seen dañoo dawoon léegi nag léegi africain yi ci des africain yi lu ci bëri amuñ kayit dafa am fii sax li ñuy wax ay ghetto ay ghetto dans le sud yoo xam ne vraiment dans des conditions d'illégalité et de clandestinité yu doy waar yoo xam ne suñ mbokk yi dañ faa dëkk léegi ministre de l' agriculture bi nag jigéen la mu ngi tudd mu ngi tudd Bellanova moom dafa xam réalité boobu ba noppi employeur agricole yi ñu ngi ko euh, sëmb ne ko liggéeykat yi dañoo manqué moom nag moo propo moo proposé ne nañ may këyit nañ régulariser à peu près six cent mille personnes sans sans papier yi nekk ci Italie mais ñu yemle ko ci oui y a six cent mille personnes

voilà en gros léegi nag euh, ñu ngi werante daal ba bërki démb ba démb. Euh, ah, ah, renco ah. rencontré na premier ministre mu mel ni am na lu luñ ko nangul. waaw nangul nañ ko daal pour euh, joxe ay kayit ci domaine agricole ak ci travailleur domestique ñiy liggéey ci kër yi. waaw ñiy liggéey ci kër yi ñiy yore xale yeeg màgget yi. ak ñu feebar ñi ñi leen di toppatoo ci kër yi. ak ñiy liggéey ci tool yi. Euh, mhm. ak lépp lu wër tool rek maanaam li mel ni élevage li mel ni li mel ni pêche hein, ak aquaculture mhm. secteur ak li ko wër mhm. ak li ko wër secteur yooyu daal lañ wax ne fa lañ koy yemale mais nag moom yéeneem moo lim mu bëggoon ak yeneen borom xam-xam sax yu nekk Italie mu bëggoon képp ku nekk ci réew mi rek amul kayit ñu joxul la kayit mais nag dafa am ñu contre ci biir gouvernement bi déjà muy mouvement 5 cinq étoiles mais aussi ci opposition bi muy parti d'extrême droite boobu bu Salvini jiite ñoom daal opposé wu nañ ko moo tax sax xam naa peut-être suy am loi génnagul nag décret bi mm-hmm. amagul mais xam naa ne ñu ngi koy xaar mais suy am dañ koy dañ koy mm-hmm. dañ koy dañ koy réserver secteur yi ma njëkk a lim nii ci foofu lañ koy lim du secteur yooyu rek nag moo am des travailleurs au noir travailleurs au noir euh, par exemple mm-hmm. euh, ni ñu koy wax ci la construction maçonnerie bëri na ay travailleurs au noir même dans la restauration, le tourisme amenait les travailleurs au noir. Mais malheureusement, mais malheureusement à cause xëccante yeeg werante yi ci biir gouvernement bi ak ci mhm. biti gouvernement bi moo tax ñu ñu yemle ko ci secteur yooyu quoi voilà en gros situation bi fi nekk nii Malick. waaw hmm. waaw euh, euh, c'est bien dit bien expliqué donc ñu ñuy déglu ngeen Italie peut-être vraiment euh, ñu mais c'est côté boobu yaakaar nga ne Sénégalais yi dinañ si gis seen bopp. ndax dinañ ci gis seen bopp. waaw waaw si si régularisation est-ce que domaine boobu bëri na Sénégal yoo xam ne. ñu si loolu. alors soo demee dans le sud nga xam ne foofu lu bëri man. dem dem naa fa ci région bu ñu wax les Pouilles muy Poulia. mais Séné sénégalais gambien yi bëri nañ fa trop su ma yeboon sax. Mm-hmm. est-ce que sénégalais gambien malien ivoirien mm-hmm. nigérien bëri nañ fa trop am na sax. Mm-hmm am na sax suñ benn mbokku sénégalais bu ñuy wax Mbaye Guèye nekk foofu euh, créé fa benn. association bu tudd Casa Sankara. Ah, si dafa ma que je l'ai une fois parlé Mbaye Guèye. waaw Mbaye mu góob mm-hmm. mu góob. Euh, Casa Casa Sankara benn centre bu mu yore. Mm-hmm. d'ailleurs dem naa mm-hmm. fa keroog bi ñu inauguré vraiment muy jambar fofu foofu il y a près euh, ci centre Bobu, il y a 400 400 africains major, avec la la majeure partie des jeunes sénégalais nga xam dañ dañ loger pour xeex pour xeex le ghetto madame, ce centre vraiment ouvert respecté bien construit uh-huh. les gens ont des uh-huh. euh, ñu tabaxal boy ay ay ay néeg yu rafet dégg di leen uh-huh. toppatoo ba parce que li xewoon fofu ci sud ba modi li ñuy wax mafia bi mo duggoon mo duggoon ci diggan ci diggante borom tool yi ak liggéeykat yi maanaam waaw ah, mafia bi daf leen doon manipuler ba noppi di leen exploiter maanaam ma borom tool bi daf ne day wax ne rek soxla naa cinquante personnes euh, les groupes mafieux yoo xam ne aussi bien italien que étranger ñoo yore seen kan seen seen fourgon euh, qui ne qui ne respecte pas les conditions dem dem utal leen cinquante personnes dugal leen ci camion yi

tu es bien informé sur l'Italie. <laughs> <laughs> Effect, effect, effectivement, dans, dans l'eau, 11 personnes ñoo ci gaañu ay Sénégalais. il y avait des, y avait des Sénégalais et des Maliens. fourgon fourgon yu bon yooyu. waaye des Ivoiriens. mu ngoog mu ngoog. mu ngoog hein? mu ngoog donc. Euh, c'est bien. <laughs> Euh, c'est c'est formidable donc euh, suñu mbokk yi comme nous ngeen ko déggee wax dëgg yàlla yàlla nous ngi ñëw. dina jël baax tey la rek yàlla moo xam lu tax li yëpp am. ma dellu si euh, le plat moment euh, en Espagne est-ce que condition yooyu am na fa foo xam ne tey par exemple gis nañu espagnol yi ñi ngi ñaxtu euh, borom agri agriculteurs yi ak yooyu ñoom tamit ñi ngi bëgg nit ñi ñëw liggéey te amuñu ay liggéeykat est-ce que condition bi c'est la même chose foofu aussi ñu ngi koy xalaat foofu en Espagne. waaw condition yi peut être Malick condition yi mën naa bañ a bokk mais li ñuy wax économie suñu mooy travail au noir bi nga xamante ni. président Baye wax na ko léegi information yi ñu ngi lay sant di la gërëm di la semaine prochaine inshallah allah ma ñëw ak euh, Baye avec le dernier mot inshallah merci. merci maman Baye euh, euh, Baye d'un de moi mu après le confinement bi. vraiment progressivement les bi mu ngi am de foofu. Mm-hmm. Ah, te lan mooy lan a ñu ñuy déglu en Italie ah, lan mooy di wax dëggal si situation bu ñu nekk pour que comme affaire yi ñu ngi commencé da dégraissé wu. Mhm. nit ñaa ngi commencé euh, confinement bi mu ngi dem. Mhm. Euh, ñi ngi dégg ni Italie macha allah peut-être mun na am ñu ñu régulariser ni Sénégalais yi. Mhm. tey tey yow bu yow lan nga leen mun a conseiller pour que euh, vraiment mu am ñu am benn caractère boo xam ne tey dinañ ne des Sénégalais yàgg nañ leen bëgg. yàgg nañ leen fan. donc luy ñëw nii ak luy nii xam nga ñoom dem nañ sax bi dimbali ay Italiens seen bopp. mooy organisation sénégalaise ak yooyu tey lan nga len di ko. waaw Malick jërëjëf euh, sa question bi question question bu am njëriñ la euh, mm-hmm. lan lañuy la conseiller wax deug yalla euh, <laughs> sénégalais surtout nag les jeunes mm-hmm. les jeunes sénégalais yi fi yi fi nek su yebone ci ñaari mm-hmm. weer ci ñaari weer yiñ tëju yëpp ci loolu laa nekkoon di joxe information en wolof parce que ñu ci bari ñu ngi fii mais mais duñuy déglu duñuy déglu presse presse italienne bi li ñuy gën di déglu mooy presse sénégalaise presse sénégalaise bi léegi avec l' internet xam nga les les le développement des nouvelles technologies presque télé sénégalais yi dara du ci raw suñ mbokk yi mais nag li may faral di wax rek euh, euh, avant tout li ma leen di njëkk a digal mooy Euh, virus bi jógeegu fi nañ ko xam jógeegu fi te nañ te nañu dañuy jàng dëkk ak mm-hmm. dëkk ak virus bi moom la ñuy jàng maanaam euh, bu ci kenn mm-hmm. bu ci kenn naagu ba ba mm-hmm. euh, parce que loolu mën na mën na lor loraange mën na ñëwaat donc nañ ci comme ni ko italien di defee yëpp nañ jël suñ matuwaay yëpp précaution yëpp ak Euh, règle yi nga xam ne moom la gouvernement bi joxe nañ ko respecté loolu mooy. loolu mooy première kii bi première conseil bi nga xam ne. lii de euh, feebar bi dafa wone ne réew soo fa nekkee da nga war a xam mhm. da nga war a xam réew ma la fay dox ak na muy doxee li may yàgg li may yàgg li may yàgg di wax malheureusement suñ mhm. suñ mbokk yu bari yu nekk fii ci Italie surtout peut-être dans d'autres pays dafa mel ni tànk yi mhm. tànk yi rek a nekk Italie <laughs> ak loxo yi mais bopp ba mu nga Sénégal maanaam <laughs> maanaam li nekk Sénégal lañuy fii dañuy dem rek liggéey rek ñëw tëdd su ngoonee ñu seetaan télé Sénégal waxtaan waxi Sénégal euh, li nekk ci réew mi ñu koy fàtte te loolu nag erreur la foog naa ne ni mu ko ni mu koy yàgg di waxee ci réew ma nga jógee ak ci réew mi nga nekk di fa teraanga foog naa ne danga da war a def benn équilibre xam fii surtout nag fa nga dëkk nga xam la fay dox lañ fay aaye lanay règle mm-hmm. lanay règlement yi nga ut fa ay relation parce que réew foo nekk gan euh, ni waa réew ma fa fekk rek euh, soo dugganteeg moom mën na la ubbil ay bunt maanaam nga nga nga open mind comme ni ngeen koy waxee <laughs> ci Amérique ci américain loolu yàqul yàqul dara ca la nga doon ak fa nga ko jógee mm-hmm. yàqu yàqu ci dara yàqu ci dara au mm-hmm. contraire xam nga suñ président Senghor doon na ko wax enracinement ak ouverture bam koy wax. ba koy wax Sénégal yi bëri guñ sax <laughs> en Europe hein uh-huh. il le disait depuis les années 60 enracinement ak ouverture mooy àddina bi. léegi maintenant euh, toujours nag di wax euh, parfois ñàkk xam boobu ñàkk uh-huh. dafa def ba nga xam ne ñu ci bëri daf leen di dugal ci ay njaaxum ñu def ci ay erreur te fii. Uh-huh. te fii Italie suñ la musee

Euh, lay ci erreur yu il faut toujours continuer surtout nag jeunes parce que nag nga jóge mm-hmm. nga Sénégal traversé jaar li bi ci géej gi ñëw hein? ñu mm-hmm. euh, ay nga mm-hmm. ni soo rek da ngay erreur erreur ils sont marqués psychologiquement ils sont marqués parce que dañuy am déception bu mag nañ xam nga kuy kuy xaru di traversé di géej yow da nga yaakaar fi ngay dem soo fa yeggee rek da ngay buub soo ñëwee nag gis conditions yi gën a métti alors que mm-hmm. alors que Europe psychologiquement daf lay daf lay def benn déception te parfois mën na la dugal ngay dugal ci ay activité illicites yoo xam ne euh, daf lay yàqal daf la mm-hmm. yàqal parce que nag li nga xam ne kenn mm-hmm. du leen ko yox moo di ne Europe du fu ñuy buub fii da ngay da ngay nekk ci raay bi muñ mhm. jàpp sa njàmbur ba ña dugg ci li ñuy aaye am kastu di liggéey ngay liggéey di denc mhm. mais amul mhm. foo xam ne da ngay ñëw rek buub ay million amu fi ñi koy def ñëpp ñi koy def ñëpp dañoo dugg ci loo xam ne waruñ koo def waaw waaw di jaay lu ñuy aaye di jaay lu bon lu lu bon loolu yaa ngi dégg ah parce que rek yaa ngi xaar waa Sénégal na la. yóbbu nga sa yaay màkka wala yóbbu nga sa papa màkka wala tabax nga fa building loolu yëpp ay illusion mhm. ay illusion la ay illusion la parce que nag euh, ay illusion la loolu muy ubbi xel yi xale yi c'est vrai Sénégal métti na c'est vrai Sénégal métti na te suñ sañoon suñ sañoon peut-être mhm. boy yi duñ immigré mais nag comme looloo fi am pour suqal mhm. réew ma il faut que doomu Sénégal yi dem bitim réew di suqali koom-koom gi waaye nag warul warul pousse

wax dëgg ah. Magui, Magui, <laughs> Magui, mag yi mag yi wax parce que <laughs> désormais je ne suis plus jeune euh, nekkatuma xale te maa ngi fi xaw a fi <laughs> yàgg tuuti te toujours nag engagement social boobu laa yàgg di am wax dëgg yàlla su ma euh, mm-hmm. gouvernement Sénégal yëg loolu jàpp si pour que boy mm-hmm. boy yi ñu informés di gën informé. di ah, merci Baye. Mm-hmm. merci euh, waxtaan bi franchement fu nga teg la nañ leen mieux informé mm. surtout yow sa liggéey mm-hmm. euh, am solo la parce que da ngay conseiller sur immigration da ngay jàppale Sénégal mm-hmm. yaa ngi fay def liggéey bu am solo am na keroog ku déglu sa kii mu woo ma mm-hmm. mu ne ma mais yow bàyyi nga tey non mais franchement bu dalu la jaaxal Italie boo ko woy rek da informé franchement yaakaaroon naa ne amuloo ko non mais adduna moo mel noonu wax dëgg yàlla merci merci waaw hein. mm, mm. aussi New York wax dëgg mm, ñu ngi koy donc on est ensemble di aussi Momar. donc réseau vraiment rajo bi je connais, je connais Momar depuis très longtemps, mais c'est un plaisir de retrouver mon fils quoi. Nous merci beaucoup jërëjëf di la sant bu baax di la gërëm euh, gaañi